le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum du studio calam, le forum du studio calam, le forum du studio le forum du studio le forum du studio forum Il est 18h15 à Niamey, c'est l'heure du forum Dissidio Kalangou. Madame, Messieurs, bonsoir et merci de votre fidélité au programme Dissidio Kalangou qui sont diffusés en direct par 41 radios partenaires dans toutes les 8 régions du Niger. Des programmes aussi disponibles sur notre page Facebook Studio Kalangou, notre site internet www.issidiokalangu.org et sur WhatsApp. Aujourd'hui, le forum Dissidio Kalangou a pour thème les conditions d'incarcération des détenus au Niger, état de lieu et solutions alternatives. Institué depuis le 30 août 1955 par l'Organisation des Nations Unies, cette journée marque la volonté de la communauté internationale d'améliorer les conditions de vie et de détention des prisonniers et c'est en vue de leur insertion sociale. En effet, le Niger a ratifié plusieurs instruments juridiques qui consacrent les droits aux prisonniers, notamment la domiciliation à l'établissement pénitentiaire pénitentiaire, le maintien des liens familiaux, le droit aux activités culturelles et le droit au culte pour ne citer que ces droits. D'après un bulletin des prisonniers sans frontières, le Niger compte 9353 détenus dont 6020 prévenus et 3333 condamnés, 320 femmes dont 259 prévenus et 388 mineurs répartis sur 38 établissements pénitentiaires pour une population de près de 18 millions d'habitants en 2016. Avec euh, nos invités, nous allons faire un état de lieu sur les conditions d'incarcération des prisonniers au Niger, les avancées enregistrées dans ce domaine, les obstacles à l'effectivité de ces droits et les solutions envisageables. Nous avons donc le plaisir de recevoir Al-Mustafa Moussa Ide, commissaire à la Commission nationale des droits humains, CNDH. Al-Mustafa Moussa Ide, bonsoir. Bonsoir, Mokhtar. Et Mohamed coordonnateur national de prisonniers sans frontières, Mohamed Issoufou Kalarika. Bonsoir. Bonsoir. Nous avions également invité le ministère de la Justice, mais pour des soucis de calendrier, aucun représentant dans ce studio ou pour ce forum. Au microphone, Mokhtar Hamadou. Al-Mustafa Moussa Ide de la CNDH. Quels sont les différents droits reconnus aux détenus D'abord, avant de répondre à votre question, vous me permettez d'abord de remercier sincèrement <coughs> le, studio Kalangou pour avoir convié effectivement la Commission nationale des, droits humains à participer à ce débat un débat effectivement qui rentre dans le cadre de la sensibilisation de la population pour effectivement le, respect des droits humains nous voudrons aussi saisir l'opportunité sincèrement pour vous encourager et vous féliciter de tout ce que vous faites afin que les, droits, des, droits humains puissent être respectés au Niger. Mais vous me permettrez aussi de rappeler c'est quoi la CNDH. La CNDH, c'est la Commission nationale des droits humains, une institution voulue par les Nigériens qui est effectivement consacrée par la, la Constitution du 25 novembre 2010. Euh, effectivement, euh, la Commission nationale des droits de l'homme, c'est une institution effectivement indépendante de, tout pouvoir, qui est composée de, neuf commissaires. Et ces neuf commissaires ont prêté effectivement serment devant la présentation nationale pour le respect des, des, droits humains au Niger. À ce titre, chaque année, euh, elle présente effectivement son rapport sur l'état des droits humains devant le Parlement et elle fait, elle partage aussi avec euh, la société civile. Mais dans le cadre de sa mission aussi, elle implique les organisations de la société civile pour effectivement eh, eh, mener ces, activités. Au niveau des commissaires, au niveau toujours de la CNDH, il y a effectivement, au-delà des quatre membres du groupe, quatre membres du bureau, le président, le vice-président, le rapporteur général, le rapporteur général adjoint, il y a des, groupes de, travail eh, qui sont au nombre de, de cinq. Vous avez le groupe de travail droits économiques, sociaux, culturels et environnementaux. Vous avez le groupe de travail lutte contre les traitements esclavagistes et les questions migratoires. Vous avez eh, le groupe de travail droits civils et politiques. Vous avez le groupe de travail droits des personnes âgées, enfants et les mineurs. Ensuite, euh, vous avez le groupe de travail détention arbitraire, lutte contre la torture, la détention arbitraire, les traitements cruels, inhumains ou dégradants, où j'assume effectivement euh, la, présidence de ce, groupe-là au niveau de la CNH. C'est à ce titre que effectivement euh, la commission m'a mandaté pour effectivement participer à, ce, forum. à ce forum-là. Vous avez dit quels sont euh, les droits des, reconnus aux, détenus. J'aimerais d'entrée de jeu dire que effectivement les prisonniers Mokhtar, c'est des personnes comme vous, comme moi, comme euh, euh, le grand frère euh, Mohamed Issou de Prisonniers sans frontières, comme nos techniciens. Pour un oui, pour un non, nous tous, je ne le souhaite pas, nous pouvons être dans ce lieu-là. Et donc, en tant qu'êtres humains, nous avons des droits, ils ont des droits. Vous savez aussi, le Niger a ratifié aussi plusieurs traités qui reconnaissent ces, droits-là à ces, à ces personnes qui sont au niveau des lieux privatifs de liberté qu'on appelait couramment les prisons, les maisons d'arrêt, Maintenant, les choses ont évolué, on les appelle les établissements eh, eh, pénitentiaires. Donc, eh, nous pensons que la prison doit s'inscrire dans un projet de société. Elle ne doit pas exclure le détenu de la société, mais considérer le détenu comme un acteur de, développement. Donc euh, les prisonniers ont des droits et effectivement, quand vous prenez les règles minima qu'on appelle les règles de Mandela, les détenus doivent être traités avec le respect, la dignité et la valeur inhérente à la personne humaine. Et la torture ou autres mauvais traitements doivent être interdites sur les détenus les besoins des détenus doivent être pris en compte sans discrimination. L'emprisonnement a pour objectif, je l'ai dit, de protéger la société et d'éviter des récidives. La sécurité des détenus, des personnes, des prestataires des services et des visites de passage toujours. Donc vous voyez, en un mot, les détenus ont les mêmes droits que nous, Mokhtar. Nous qui sommes en liberté, ils ont les mêmes droits. Mais malheureusement, euh, ces droits-là, parfois, continuent euh, de l'état de nos établissements pénitentiaires, les infrastructures, et parfois, en tout cas, ces, ces, droits-là sont parfois euh, atteints. C'est dans ce sens qu'effectivement, au niveau de la Commission nationale des droits humains, avec l'accompagnement de la société civile, on essaie en tout cas chaque fois de, de visiter les maisons d'arrêt, pour s'enquérir effectivement les, conditions de, détention, pour voir si tout ce que nous venons d'énumérer est, respecté justement Al-Mustafa Moussaïde, euh, la Commission nationale des droits humains, la CNDH et euh, le CICR euh, sont des structures qui visitent régulièrement les prisons au Niger. Dans quelles conditions vivent les prisonniers et vous savez, au Niger, effectivement, vous avez énoncé au tout début de ce débat que le, Niger dispose à peu près de, 38 voire 39 établissements pénitentiaires. nous avons la chance qu'au niveau de la CNDH, en tout cas, chaque année, ces prisons ou ces établissements pénitentiaires sont visités. Et tout récemment, toute une délégation de la CNDH était à, Maradi après avoir visité les, établissements pénitentiaires d'Agadez, de, de Tilaberi, après Maradi, maintenant, nous sommes sur le point de faire l'ensemble des maisons d'arrêt au niveau de, de, de, Dosso et continuer avec euh, les maisons d'arrêt de, de, Zender. vous savez, au Niger, eh, c'est ce n'est pas du tout reluisant. Les, conditions de détention, je l'ai dit, c'est lié euh, à, l'état des infrastructures. La plupart, en tout cas, certaines de ces infrastructures datent euh, des, périodes coloniales donc, euh, et on euh, un nombre assez important de, surpopulations surpopulation carcérale. notamment au niveau de la maison d'arrêt de Niamey, de Tawa, d'Agadez, en tout cas presque toutes ces maisons d'arrêt ont une surpopulation euh, carcérale. Et vous allez voir des maisons d'arrêt conçues pour une capacité de 200, 300, 400, 500 Aujourd'hui, ils ont une population, elles ont une population carcérale qui tourne autour de 900, autour de 1000. Donc, vous conviendrez avec moi, avec cette surpopulation carcérale, on ne peut pas dire qu'effectivement, eh, les, les, les, prisonniers sont dans des conditions euh, souhaitées. est-ce que tous ces problèmes vont ressortir dans le rapport que vous allez présenter devant le Parlement eh oui, euh, en tout cas, quand nous, visitons effectivement les, maisons, les établissements pénitentiaires, ce n'est pas uniquement les problèmes des prisonniers. Il y a d'autres problèmes, notamment euh, le problème que rencontrent les responsables des établissements pénitentiaires c'est-à-dire les, les, surveillants. Vous voyez, voilà aujourd'hui des gens qui ont été mis à la disposition pour assurer la sécurité des, de ces maisons, de ces établissements pénitentiaires. Malheureusement, ce n'est pas le seul travail qu'ils font. Vous allez voir quand le, le commandant ou bien une autorité se déplace, c'est parmi eux qu'on réquisitionne pour accompagner le préfet et faire le tour. Je vous assure, quand nous, nous, faisons des entretiens avec ces, responsables, moi, c'est même leur situation que je la situation qu'ils vivent que, que je déplore. Certains peuvent faire deux mois, trois mois sans voir leur famille. Les gardes pénitentiaires. Les, gardes pénitentiaires, les responsables pénitentiaires, Et en tout cas, tout ça, là, quand nous, nous, sortons, je vous invite à lire, en tout cas, les deux rapports que nous avons rédigé et présenté devant Vous allez voir en tout cas tous les problèmes qu'on a constatés, en tout cas, ils sont. Et mieux, avant même, donc, quand on fait le, rapport, avant que le rapport ne sorte, eh, des correspondances ou bien des recommandations sont directement adressées, tantôt au ministre de la Justice, tantôt au ministre de la Défense, tantôt au ministre de l'Intérieur, pour effectivement énumérer tous ces problèmes afin que des solutions soient prises et euh, pour que effectivement ces lieux privatifs de, de, liberté puissent être euh, humanisés. Donc vous voyez, le problème c'est pas uniquement au niveau des, des, prisonniers, y compris ceux-là qui sont chargés d'assurer leur sécurité. Eux-mêmes aujourd'hui travaillent dans des conditions euh, inacceptables. Donc vous voyez, la CNDH vraiment s'occupe en tout cas presque de tous les problèmes qui minent effectivement ces établissements pénitentiaires-là. En tout cas, je vous invite à lire les deux rapports. Vous allez voir tous les problèmes qu'on rencontre là sont, énumérés dedans. Al-Mustafa Moussa est-ce que toutes les prisons du Niger sont visitées par la CNDH, y compris la prison de haute sécurité de Koutoukali En tout cas, eh, à l'exception de la prison de Bilma, à l'exception de la prison de Bilma, en tout cas presque tous les établissements pénitentiaires, je préfère utiliser le mot, les établissements pénitentiaires reçoivent la, visite. Je rappelle, il y a trois mois de cela, nous étions aussi à, calais à, l'arrivée du, prévenu à eh, Litera, où nous l'avons eh, rencontré. Eh, tout récemment même, nous avons un projet encore d'aller visiter. En tout cas, il n'y a aucune interdiction parce que c'est la loi qui autorise euh, la CNDH effectivement à visiter l'ensemble de ces établissements pénitentiaires-là à Combe. Il est vrai, avant d'aller, il y a des formalités. On n'a pas besoin de ces formalités, mais compte tenu du contexte euh, sécuritaire. il va falloir effectivement informer euh, ces autorités-là pour dire que voilà, ce que nous voulons faire. On n'a pas besoin de le faire, mais nous le faisons pour effectivement euh, les donner des indications, pour dire voilà, c'est la CNDH. Vous savez, aujourd'hui aussi, les, bandits, les, terroristes, ils, nous écoutent. Donc, euh, il y a des choses que je préfère ne pas en parler pour faire. Mais quand même, euh, nous n'avons pas d'interdiction de difficultés à visiter l'ensemble de ces établissements pénitentiaires-là. Mohamed Issoufou Kalarika, coordinateur national euh, de Prisonniers sans frontières. Prisonniers sans frontières est une organisation de solidarité internationale présente en Afrique francophone depuis 1995. Quelle est selon vous la situation des détenus au Niger Merci Mokhtar, mais je vais commencer d'abord par vous présenter euh, brièvement Prisonniers sans frontières comme vous l'avez dit, une euh, organisation de solidarité internationale. Euh, et, nous avons eu notre autorisation d'exercice au Niger en 2003, en juin 2003. Donc, prisonnier sans frontières euh, est présente au Niger depuis 2003, mais nous sommes sur sept pays en Afrique et en France. nous essayons d'améliorer les conditions de détention. Déjà, quelle est la situation des détenus au Niger La situation des, détenus au Niger, c'est comme c'est vraiment la situation que vient de brosser le commissaire euh, Al Mustafa. Mais euh, prisonniers sans frontières, euh, contrairement à la CNDH, euh, ne s'occupe pas de ce qui est supra-détention. Quand nous rentrons en prison, nous ne nous demandons pas si un prévenu, c'est un mineur, c'est une femme, c'est un homme, qu'est-ce qu'il a fait, qu'est-ce qu'il n'a pas fait. Mais nous essayons concrètement d'améliorer leurs conditions de détention par rapport à ce que nous avons vu, par rapport à ce que l'administration pénitentiaire nous demande sur place. Est-ce que vous pouvez nous aider à faire ça Mais aussi par rapport à la demande des détenus avec lesquels euh, nous, créons un lien de confiance par l'écoute. En comment faisons Mais nous avons des, nous sommes organisés en équipe, ce que nous appelons équipe terrain. Donc des visiteurs bénévoles de prison qui vont et qui visitent les prisons, qui parlent avec les détenus, qui créent des liens. On peut boire du thé, on peut, on discute, et voilà. Souvent, nous partageons leur vécu. Donc nous voyons nous pouvons tout de suite savoir il a besoin de quoi. Et nous essayons, avec nos maigres moyens, d'améliorer ce que nous pensons être euh, ce que nous pensons que nous pouvons améliorer. Par exemple, sur plusieurs prisons, nous avons initié des jardins maraîchers. Aujourd'hui, à la prison civile de, de Niamey, il y a un jardin maraîcher que PRSF, avec l'aide de l'administration, essaye par exemple, de gérer. Et là où il y a les prisons, c'est pareil. Par exemple, si aujourd'hui, à la prison civile de Niamey, on récolte de la, du piment frais, le régisseur fait transférer ça dans la cuisine de la prison. Est-ce qu'il y a des structures ou des bailleurs de fonds qui vous appuient dans ce sens euh, De temps en temps, nous avons euh, quelques structures qui nous appuient, mais c'est que nous voulons que les Nigériens sachent, c'est que Prisonniers sans frontières, par exemple, est soutenu par des dons du Nord. Du Nord, ça veut dire euh, de, la France particulièrement. Je vous donne un exemple très simple. Hein. Euh, nous avons créé un atelier de fabrication de grillage à Madawa. Vous savez comment est venu l'argent Non, parce qu'il y a un monsieur qui fait partie du bureau de PRSF en France qui a demandé à ses amis qui peut donner un peu d'argent pour qu'on puisse aider une prison au Niger pour avoir un atelier de grillage. Et les gens cotisent pour envoyer cet argent. Parce que là-bas, comme avait dit, je reviens encore sur ce qu'avait dit le commissaire Al-Mustafa, beaucoup de gens ont pris conscience que la prison, fin des fins, peut être considérée comme la maison de tout le monde. Et nous, nous sommes certes dans un pays où tout est priorité moi, les gens peuvent ne pas comprendre pourquoi moi, si j'ai quelque chose, je l'amène en prison au lieu d'amener ça au village ou de donner ça aux voisins qui en a besoin. Parce qu'effectivement, je le répète, tout est priorité au Niger. Donc, eh, tout est priorité, donc euh, l'État à lui seul ne peut pas faire face à, tous les besoins Mais ben, ça, c'est le constat. Aujourd'hui, vous savez que ce n'est pas seulement les conditions je pense que euh, souvent, il est, important pour nous autres Nigériens de regarder certaines euh, euh, réalités en face et de dire que l'État a besoin d'être soutenu. Dans beaucoup de domaines, l'État a besoin d'être soutenu. Et ce que nous amenons, ce que nous pouvons faire pour faire avancer les choses dans n'importe quel domaine, pas seulement dans le domaine des prisons, doit être le bienvenu quand c'est bien cadré. Aujourd'hui, nous, nous avons de très bons rapports avec les régisseurs. Nous avons de très bons rapports aussi avec euh, les détenus. Mais personne ne nous aide. Les gens s'attendent toujours à ce que ça soit, que ça vienne du Nord. Or, des associations comme Prisonniers sans frontières, Asfémine, tout ça là, la population nigérienne doit pouvoir les aider. Mais nous n'avons pas de soutien local, malheureusement. Alors, euh, Mahamadou Issoufou Kalarika, quelles sont les actions menées par votre structure pour que les conditions d'incarcération euh, soient meilleures Les visites, hein? l'écoute. Quand nos équipes rentrent, ils vont dans la prison. Ils constatent, par exemple, qu'un détenu est malade, puisqu'il y a, y a ce vrai problème de personnel le personnel est pratiquement insuffisant dans beaucoup de maisons. Hein. Les gardes, là, ils sont débordés. Mais nous, quand nous rentrons et que nous constatons que M. X est malade ou Madame est malade, mais tout de suite, on vient dire au major qui va l'extrader pour le consulter. Quand nous pouvons acheter un sac de sel pour appuyer la cuisine, ben, nous le faisons. Plus globalement, quand nous pouvons, par exemple, aider à la création d'un atelier. Et là, entre parenthèses, PRSF vient, de, par exemple, de créer un atelier de fabrication de, et de, grillage, à la maison d'arrêt. Et aujourd'hui, euh, cet atelier est fonctionnel, comme celui de Colo qui est aussi fonctionnel. Aujourd'hui, euh, je profite de, votre radio pour que le Nigérien sache que le grillage le moins cher euh, à Niamey, en tout cas, c'est au niveau de la maison d'arrêt. Vous allez à la maison d'arrêt, vous avez le grillage le moins cher. Est-ce que votre structure a accès à tous les établissements pénitentiaires au Niger Là où on est, vraiment, c'est sans problème. Nous n'avons pas de difficulté à accéder ni aux maisons d'arrêt, ni aux détenus. En tout cas, moi, depuis que je suis coordinateur, je n'ai pas eu de retour où il y a des difficultés pour les équipes de d'avoir accès aux prisons ou aux, détenus ou avoir des problèmes avec euh, l'administration pénitentiaire. Parce que, à leur décharge, il faut dire que les, les responsables des maisons d'arrêt ont été sensibilisés. Ils savent ce que la société civile apporte et ils coopèrent avec la société civile. Aujourd'hui, si vous partez, par exemple, euh, dès que vous, vous appelez un régisseur, même s'il ne décroche pas, dix minutes après, il vous, il vous rappelle. Donc, pour cela, il n'y a pas de problème. le thème choisi cette année pour commémorer la journée internationale des détenus est Quelle perspective pour les peines alternatives à l'incarcération au Niger et contribuer à la réintégration pacifique des présumés détenus et répandus de Boko Haram dans la région de Difa. Pourquoi le choix de ce thème et quels sont les objectifs visés Comme je vous l'ai dit, en réalité, PRSF ne s'occupe pas du pourquoi et du comment. Mais nous, restons quand même renseignés et nous suivons de près ce qui se passe. Les peines alternatives sont actuellement à l'ordre du jour. Et nous savons qu'il y a beaucoup de, de forats et de séances de sensibilisation qui sont en cours pour que cela puisse être une réalité. Mais je crois que même vous, journalistes, vous avez votre part dans, cette histoire de peine alternative parce qu'il faudrait sensibiliser le Nigérien. On se connaît. Puisque nous, bien, on se dit, est-ce qu'on ne va pas arriver à un point où quand le juge va dire, euh, monsieur, vous allez travailler à la mairie au lieu d'aller en prison, que les gens commencent à dire, euh, non, je préfère aller en prison. Voilà le genre de points sur lesquels il est important que vous vous, mettiez euh, rapidement. Mais euh, je ne suis ni juge, ni le ministère de la Justice. Donc. Euh, Est-ce qu'il vous arrive de formuler des propositions Bien sûr. Vous êtes écouté Généralement, mais il y a aussi des propositions qui restent lettres mortes. Maintenant, pour la réinsertion dont vous avez parlé, nous, nous faisons ce que nous pouvons il y a beaucoup de prisons au Niger où vous allez trouver des ateliers. Des ateliers de couture, des ateliers de menuiserie, des ateliers de grillage, comme je vous ai dit à Niamey ou à Kolo. Nous nous débrouillons pour trouver les machines, pour organiser les formations, pour assurer peut-être un semblant de production sur la prison. Mais nous n'avons pas les moyens d'installer le détenu libéré, même s'il est formé. Et c'est là tout le problème. Al-Mustafa Moussaïde, quels sont les obstacles ou encore vos difficultés sur le terrain tout d'abord, Mokhtar, sincèrement, euh, je pense que c'est le lieu, sincèrement, de remercier l'intervention des ONG telles que, ou bien des que Prisonniers sans frontières au niveau de nos établissements pénitentiaires. Parce que, sincèrement, ni était leur intervention, notre pays allait être parfois constamment interpellé au plan international par rapport à effectivement à ces établissements pénitentiaires là parce que vous n'êtes pas sans le savoir le Niger est parti à plusieurs conventions où nous avons dit que le Niger était un état de droit on a en tout cas signé pas mal de conventions et malheureusement malheureusement quand on fait l'état du lieu des prisons en tout cas, ça montre qu'elles eh, eh, elles ne sont pas au eh, aux Mais grâce à l'intervention de ces organisations de la société civile, des partenaires comme Prisonniers sans frontières, le Niger arrive à, respecter le, cap. Les difficultés, Mokhtar, vous savez, quand vous prenez les règles euh, minima aujourd'hui, un prisonnier, il a le droit d'avoir un contact avec euh, le monde extérieur, notamment sa famille, ça là. Les liens familiaux. tout doit être respecté. Mais là, il va falloir aussi que les infrastructures répondent aux normes. Vous voyez, le prisonnier, au niveau des conditions matérielles, quand il a besoin de, faire ses, besoins, ça veut dire que l'hygiène, l'eau, l'alimentation, le couchage, tout ça là doit être respecté. M. Mokhtar, eh, le, grand frère euh, coordinateur national du président, l'a dit, le Niger, les priorités sont, sont ailleurs. Et c'est pourquoi aujourd'hui, en tout cas au niveau de la Commission nationale eh, des droits humains, avec euh, l'accréditation du statut A hein, qui, nous oblige à travailler avec les ONG, partout dans nos visites, nous partons avec euh, ces, ONG-là. Parce qu'on a vite compris que l'État à lui seul ne peut pas gérer ce milieu-là. Je me rappelle l'année passée sur effectivement plaidoyer de la CNDH auprès d'une institution euh, de la République ou pardon, une institution de, je peux citer l'organisation de l'Union européenne là-bas, c'est les personnels qui ont effectivement entre eux cotisé pour venir en aide aux femmes et mineurs incarcérés de la maison d'arrêt. Rien n'exclut demain qu'on voit le personnel du studio Kalangou aussi intervenir pour voir qu'est-ce qu'il peut faire particulièrement pour les mineurs et autres. Alors, Al-Moussaf Moussaïd, est-ce que des plaidoyers sont faits dans ce sens Effectivement, nous, c'est c'est pour vous amener à dire qu'effectivement, au-delà des recommandations de, nous faisions à, l'État, au gouvernement, pour que certaines choses puissent être respectées parce qu'il est, il est de son de son ressort. De son ressort. Nous faisons aussi le plaidoyer vers euh, les, les, les, ONG, d'autres partenaires, pour dire voilà là où vous pouvez aussi euh, intervenir. Et pourquoi nous avons salué aujourd'hui la mise en place de la plateforme des, des, des, des OSC intervenant en, milieu carcéral. Et ils ont un plan d'action euh, formidable que si toutefois ils arrivent avoir le soutien. Moi, je pense que, euh, M. Mokhtar, euh, le défi auquel nos, établissements pénitentiaires font face, nous allons euh, le relever. Et vous aussi, même ce débat, que ce forum que nous sommes en train d'organiser, rentre dans le cadre effectivement de l'humanisation de ces maisons d'arrêt. Mais je sais que euh, Kalangu fera partie de, tous ces partenaires-là pour effectivement nous, aider à ce que euh, la lutte pour l'humanisation du milieu carcéral. Il y a de l'espoir, il y a de l'espoir parce qu'il y a tout récemment euh, le, Conseil des ministres a adopté des mesures, Mokhtar, qu'il faut saluer, où maintenant les travaux d'intérêt général, en tout cas les textes, ont été adoptés. C'est vraiment le lieu de saluer le, courage euh, des techniciens, du ministre de la Justice et du gouvernement. En tout cas, ils ont osé. Et moi, je pense qu'aujourd'hui, euh, on peut s'estimer heureux. Et maintenant, euh, c'est d'aller vers l'accompagnement et la mise en œuvre de, ces textes qui ont été adoptés. Selon vous, donc, il y a des perspectives hein, Non, il y a des lieux d'espoir. Et sincèrement, Mokhtar, et, Ma position actuelle m'a permis de comprendre vraiment beaucoup de choses. Et avec, euh, si même on a abouti à l'obtention de ces réformes au niveau du ministère de la Justice, c'est lié aussi aux recommandations et autres là que la, CNDH a eu à faire avec euh, les organisations de la Donc vraiment, Mokhtar, l'espoir est, permis. Ce qu'on a connu avant, voir des prisonniers ou bien des, des prévenus qui ont fait 3 ans, 4 ans, 5 ans sans être entendu. Moi, je sais que dans, quelques mois, voire dans, quelques années, ça, est eh, vraiment, le Niger, nous, allons, nous allons les, oublier. Et c'est, en tout cas, moi, personnellement, et même au niveau de la CNDH, nous avons eh, salué, en tout cas, ces décisions eh, courageuses du ministère de la Justice. Mahamadou Issoufou euh, Kalarika, le slogan phare de votre structure est Ensemble, humanisons les prisons. Qu'est-ce que cela veut dire à votre avis cela veut dire juste que euh, euh, on doit, euh, chacun d'entre nous doit se dire que il peut faire une erreur dans sa vie et qu'il ne comprendrait pas que les autres ne l'excusent pas, que les autres ne comprennent pas qu'il a failli et qu'il peut changer. C'est pareil pour les prisons. Essayons de dire que celui qui est derrière les barreaux il peut changer et qu'il a droit, surtout, à une nouvelle chance. Mieux aller en prison, purger sa peine, ça veut dire payer ce que la société t'a demandé de payer pour la réintégrer. Tu vois, tu achètes une voiture, le vendeur te dit ça fait un million, tu payes le million, c'est ta voiture, tu rentres dans la circulation avec. Donc il faudrait, il faut, il faudrait qu'on arrête de stigmatiser. Il faudrait que euh, le, prisonnier, c'est comme un malade. Je fais le parallèle. Quand quelqu'un est alité, il a besoin qu'on vienne le voir, il a besoin qu'on lui donne ça, qu'on l'aide à retrouver sa santé. Mais le prisonnier, il a besoin qu'on l'aide à réintégrer la société, même s'il a failli. Qu'on arrête de les stigmatiser, parce que chacun peut y aller, pour une raison ou une autre. On a vu des prophètes qui sont partis en prison et qui ont même demandé à Dieu d'aller en prison pour ne pas. Vous, Mokhtar, je vous donne un exemple banal. Hein. Vous, vous, vous croisez votre neveu en train de faire des bêtises dans la rue. Vous le giflez. Il tomberait de moi. Que Dieu nous en garde. Vous allez être enfermé. Est-ce que vous, allez, vous avez voulu faire du mal Non. Vous avez voulu faire du bien mais peut-être que ça peut vous conduire derrière les barreaux. Dernier mot, il faudrait aussi que qu'on puisse euh, souvent euh, essayer de comprendre ces gens, de les aider, de ne pas les fuir. Parce que moi, prisonnier sans frontières, je peux vous dire que il y a des gens, on a vu des cas de gens, surtout des mineurs, qui restent en prison parce qu'il n'y a pas de représentation. Parce que le juge n'arrive pas à trouver quelqu'un qui va dire je suis responsable de lui, mais je le mettez-le en liberté, il va loger chez moi. Il n'y a pas de représentation. Le juge ne sait pas comment, chez qui il va aller éventuellement demander cette personne. Et pour se couvrir, ce qui est tout à fait normal, il est obligé de le maintenir en détention. Quand la personne est arrêtée, tout le monde fait le vide et, ça, c'est une mentalité aussi qui doit changer euh, chez nous. Mohamed Soufou, au Kalarika des, prisonniers sans frontières, le plus souvent on parle de surpeuplement des détenus dans les prisons. À combien peut-on estimer le nombre de prisonniers dans une maison d'arrêt ben, Je crois que chaque maison d'arrêt a, sa capacité. C'est clair. Chaque maison d'arrêt a sa capacité. Donc c'est en fonction de sa capacité. Les sont bâtis sur, sur, sur, des normes et sur la base effectivement de, de capacité comme il l'a dit. malheureusement, <laughs> puisqu'il y a, il y a trop de problèmes, c'est ce qui fait que parfois on va au-delà de, de, de ce qui a été prévu. Quand vous prenez, en tout cas, je pas les statistiques, aujourd'hui la maison d'arrêt qui la maison d'arrêt de Niamey qui avait en tout cas, la capacité est à peu près de, 500 détenus. Aujourd'hui, ça, ça voisine dans, les 1000. Et il y a aussi euh, le fait que aussi, euh, presque en tout cas, euh, les autres maisons d'arrêt sont, sont, loin de, de, Et maintenant, j'ai dit les, les, réformes, effectivement, puisque le ministère aussi, en tout cas, nous a informés qu'il y a tout un projet de construction des maisons d'arrêt au niveau de certains chefs lieux de, région et de certains chefs lieux de département pour effectivement eh, eh, désengorger, eh, les autres maisons d'arrêt. En tout cas, toutes les maisons ont leur nombre de sont bâties sur la base des, des, des, des capacités. On construit la maison, on dit que ça ne doit pas dépasser 200 ou bien 100. En tout cas, c'est sur la base des, des normes que les maisons, en tout cas, sont en train d'être faites. malheureusement, eh, parfois, en fonction de, des problèmes qu'on a fait, que, eh, on dépasse effectivement eh, le nombre requis. Al-Mustafa quelle différence y a-t-il entre une maison d'arrêt et les cellules de garde à vie de la police et de la gendarmerie Vous savez, euh, j'aurais souhaité que vraiment vous fassiez venir, en tout cas, quelqu'un du, ministère de, du ministère de la Justice. Il allait, euh, en tout cas, mais la petite expérience que j'ai, j'ai compris qu'au au niveau des, des, gardes à vue, c'est tout juste pour effectivement mener euh, les enquêtes. Les enquêtes. Et vous voyez, parfois, on dit que c'est 48 heures, heures renouvelables une fois. Au-delà de ce délai, on essaie de vous Malheureusement aussi, là aussi au niveau de ces cellules d'enquête, au niveau des commissariats, au niveau des gendarmeries, parce que on a la chance aussi de les visiter. C'est ah. aussi des cellules, parce que euh, à l'entame de, ce forum, j'ai dit aussi, nous visitons tous les lieux privatifs de liberté, en tant que lieux privatifs de liberté, y compris ces cellules-là. Et là aussi, euh, les difficultés sont presque les mêmes, parce que c'est des cellules qui datent euh, plusieurs années. Et malheureusement, on les a construites euh, sur la base effectivement des choses et qui ne, qui respectent pas effectivement aussi les normes. Et c'est pourquoi effectivement nous, avons aussi fait des, propositions eh, par rapport. L'un dans l'autre, quelqu'un qui est pris, qu'il soit au niveau de la maison d'arrêt ou au niveau des, des cellules, en tout cas ses droits doivent être respectés à la CNDH, nous avons eu plusieurs plaintes, des cas, qui, des individus qui se présentent pour effectivement dire les traitements qu'ils ont subis au niveau effectivement de ces cellules-là. Mohamed Soufou quels sont euh, vos conseils, recommandations ou propositions de solutions pour des meilleures conditions de vie des prisonniers au Niger Bien, je pense que euh, les prisons au Niger ont, besoin d'énormément d'investissements pour, euh, d'une part, augmenter leur capacité, mais un accent particulier doit être mis sur la réinsertion post-castérale. Parce que euh, ça va éviter la récidive. Et la récidive est très forte. Donc, euh, il faudrait qu'il y ait un système d'accompagnement des détenus pour que, après leur peine, ils puissent, ils puissent être insérés dans la société. Et ça, il n'y a pas d'accompagnement. Nous autres ONG, associations, nous faisons ce que nous pouvons pendant que la personne est détenue. Mais quelle que soit la formation que tu reçois, mettons, on a formé un tailleur, il sort, il n'a pas de quoi acheter une machine. Ou parce qu'il a fait la prison, même s'il devient le meilleur styliste, quel que soit l'atelier où il va, on dit c'est un ancien détenu on ne le prend pas. C'est des problèmes. Ça, c'est la stigmatisation. C'est pareil. Et ce n'est pas seulement dans, le domaine des, des, travaux manuels, même sur le plan des, des, gens qui ont des diplômes de comptabilité et autres, qui se retrouvent en prison parce qu'ils ont fauté, parce qu'il y a eu une erreur, ils ont fini par payer leur dette. Mais ils ne retrouvent plus du travail parce que la première des choses qu'on demande, c'est ton casier judiciaire. Et ça même, je pense que dans le monde même, il faut commencer à réfléchir là-dessus. Tu as payé une dette, mais on doit oublier ça. Al-Mustafa Moussaïde, rapidement, quels sont vos conseils, recommandations ou propositions de solutions pour des meilleures conditions de vie des prisonniers au Niger Oui, euh, Mokhtar, moi, je sais que quand l'état de lieu de, de, nos maisons d'arrêt est est déplorable. Ça ne répond pas eh, aux normes, mais cela eh, ne doit pas nous, décourager. c'est pourquoi, en tout cas, eh, au niveau de la Commission nationale des droits humains, nous saluons en tout cas les, décisions courageuses. Les efforts De l'État et, Inch'Allah, et cela va permettre au Niger de. En tout cas, nous sommes en train de comprendre que le Niger est dorénavant en train de s'inscrire dans cette logique qui consiste à dire que la prison doit s'inscrire dans un projet de société. Et elle ne doit plus, elle ne doit pas exclure le détenu de la société, mais considérer le détenu comme un acteur de développement depuis la maison d'arrêt. Il convient, Mokhtar, d'opter pour l'éducation et non la punition afin de reconstruire ou construire chez le prisonnier durant sa détention des valeurs humaines qui fondent sa dignité. Un État n'a pas pour euh, vocation de réprimer les citoyens, mais de les éduquer selon les valeurs républicaines. Et je pense que notre gouvernement, notre État a compris cela. Il reste seulement à ce que les privés, la société civile, la presse nous nous inscrivons vraiment dans, cette logique pour pouvoir accompagner tous ces efforts-là qui sont en train d'être eh, eh, eh, faits. Et cela va nous amener effectivement à, respecter les normes par rapport aux, aux, détentions, va nous amener en tout cas à ce qu'aujourd'hui nous puissions avoir en tout cas des citoyens à la sortie des prisons des citoyens qui vont contribuer au développement malgré les précédents qu'ils ont eu à, commettre. Et nous allons avoir vraiment eh, un Niger eh, pétri de paix et de, et de, développement. Selon nos invités, les personnes privées de liberté sont des citoyens à part entière. Elles doivent être traitées conformément aux principes universellement reconnus dans le domaine des droits de l'homme. Et pour cela, l'accent doit être mis sur la construction de nouvelles infrastructures, la sécurité à l'intérieur et à l'extérieur des maisons d'arrêt. Nous sommes au terme de ce forum d'Isidio Kalangu. Nous avons eu le plaisir de recevoir Al-Mustafa Moussa Ide, commissaire à la Commission nationale des droits humains CNDH, et Mahamadou Issoufou Kalarika, coordonnateur national des prisonniers sans frontières. Nous avons également invité le ministère de la Justice, mais aucun représentant n'a pu prendre part à ce forum. Merci à nos invités et à vous tous pour votre fidélité au programme du studio Kalangou qui vous parvient grâce à notre 41 radios partenaires. Merci, au revoir.